vision ou son excellence de président Macky Sall 27 mu les 27 projets phares yi inscrit dans le plan euh, Sénégal émergent qui volet voir une transformation euh, structurelle et croissance agropole est un des pôles modernes de euh, transformation agro-industrielle Il xamné faciliter la mise en réseau des acteurs de la chaîne de valeur Nous avons ci petit ci agropole l'agropole sud l'agropole nord ak l'agropole sant euh, son excellence le président Macky Sall ginnaaw bi les maires de Sandiara de Malicounda ak de Nguéniène jëlee benn initiative intercommunale pour euh, créer benn agropole mu ne ñu jël agropole boobu boole ko ci biir agropole yooyu mu nekk quatrième pôle bi muy l'agropole ouest d'ailleurs sax xam naa dinañ ci gën a échanger parce que dañ ko bëggoon a gën a yaatal mu gën a jël ba law ba jël zone ñaay bépp dem ba Tivaouane dem Thiès su ko defee ñu mën a euh, maaye le territoire national mën a industrialiser tout le pays agropole euh, sud boobu nga xam ne tey mi ngi couvrir les régions de Ziguinchor de Kolda ak de de de euh, de Sédhiou pratiquement étude de faisabilité comme ni nga ko waxee boucle nañ ko pare na filière yi nga xam ne retenir nañ ko ci muy anacarde di mangue bi mais également di di maïs bi muy les filière prioritaire filières prioritaires. des filières complémentaires mu jëm ci euh, banane bi jëm ci lait les produits forestiers non lignes modules euh, module également euh, par ko trois modules module central bi koy trois modules régionaux ben cinq plateformes de collecte Goudomp Vélingara ainsi de suite projet bobu tay également finance euh, financement yi euh, liñ ci projet moy xol transformer li nga sur place pour lutter contre les euh, pertes post récolte euh, tay bo xol objectif d'ici 2024 il fexé ba nga taux de transformation de 2 à 23 mais également pour Mangé, bi passer de 5 à 58 pour pour 100 valoriser te bu ngeen xolé li étude l'étude de structuration du projet rien que la transformation euh, euh, noix de Kajubi, pomme de pratiquement générer 933 milliards par an et étude lab financement également projet bi Sud cofinancé à hauteur de 57,6 milliards de francs CFA BAD BID joxe 18,3 milliards le reste BAD euh, joxe ko mobiliser nañ ko également le financement du secteur privé parce que le secteur privé bi bu ci comme nous l'avons ko agropole du Manam, nous ñu 103 milliards actuellement nous avons une société de construction des agropoles qui a ne créé en Tchèque ou FONSIS Une euh, société qui euh, a un capital de 1 milliard de de francs CFA actuellement FONSIS nous avons lu euh, sa participation au secteur privé 16,1 milliards de francs CFA pour nous réaliser des infrastructures euh, euh, marchandes donc li également ci agropole nord nous avons étude de étude préliminaire une visite de terrain yi commencé na noo filières nous avons nga une étude de faisabilité yi a le riz euh, les produits de l'horticulture, de l'aquaculture, les produits de l'élevage et de, de, de, de l'agriculture. avec euh, euh, la BAD, à travers le, le don fait, 934 000 euros pour les études de faisabilité. Mais également la coopération japonaise, la JICA, nous avons également 500 millions pour nous études de la structuration du, du, du, du projet. L'idée de l'agropole centre, euh, commencé woon nañ ko euh, dem nan fa koroog réunion ak euh, Anabel également mission de terrain et ak visite ak étude préliminaire également wane na foofu war nañ def lu melné le le le l'arachide les céréales hein, les les cuirs et le sel également. donc il y a eu yoo étude de faisabilité bi moo confirmé. Annabelle, la coopération berge également a 22,5 millions d'euros 11,5 millions d'euros yi jëm ci infrastructure marchande le reste de l'enveloppe yu jëmee ko pour appuyer ko euh, euh, comment dire les acteurs euh, technique et des acteurs de la chaîne de de de de valeur euh, pour li jëm ci agropole ouest bi avons ko commencé war ko intégré tey mu commencé à ci biir agropole avons fait de faisabilité nous avons définir filières yi avons na le lu méomie, avec la viande de bi Euh, jël nañ ko boole ko ci ci biir mais ñaay moom xam nga koy wax mu wax marché yi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne il faut que ñu intégré ko ci diwaanu Mbour aussi gis nañ ne également euh, jën yi bëri nañ fa ah donc loolu lépp day fi nekk ay produits yoo xam ne dañ koy intégré ci ci produit parce que tey bu ñu xoolee ba xool waruñoo euh, nax suñu bopp ndaxte bu ñu xoolee mbas mi wane na lu bëree bari ndaxte boo dee xool pays industrialisé yëpp tey seen produit agro alimentaire yi nga xam ne seen dëkk yi dañ seen population dañ koo soxla ci mbass mi dañ ko bloqué nangul mu ñew ci suñu dëkk yi kon euh, selon les potentialités de chaque département la fa am ñu transformer euh, mën ko pour créer euh, non seulement de la valeur ajoutée mais également diminuer nos exportations réduire le déficit de balance commerciale mais également créer de l'emploi pour les jeunes et les femmes pour Sénégal yi nga xamné mom le président Macky Sall bëgg mu mel ci mbirum industrie man man man mel agropole il y rek yi rek déjà woné na né tay euh, buñ ci paree ñun am pratiquement 120 milliards d'exportations, 235 milliards euh, d'investissements directs direct étranger dina am aussi également 85 milliards de participation au PIB sectoriel plus de 18 000 emplois euh, dina ko créer te agropole bu ngéeñeen beeg ñom Sandiara donc vraiment ñu am yaakar bu baax baax né agropole su Sénégal dina mëna un pays industrialisé comme ni ko son excellence le président Macky Sall bëggee kon nag vraiment ñu leen di wax ne ñu ngi ci gannaaw di leen pousse di jàppale am yaakaar ne tey comité de pilotage bi euh, dina am lu ci judd loo xam ne dina tax euh, projet bi mën a gën ndax recruter nañ pratiquement équipe projet bi bi war a piloter projet bi pare expert, ay ci parce que bëgg nañ au plus tard en 2021 agropole yi commencé génn ci Sénégal pour Sénégal mën a industrialiser.